sommes vendredi 14 juillet 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalongou. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et ce avec des confrères des médias de Niamey. Dans ce numéro, nous allons tout d'abord parler de la reprise dans les prochains jours par tous les candidats admis comme refusés au baccalauréat série D session 2023 de l'épreuve de mathématiques, annonce faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ensuite, il sera question de l'arrivée cette semaine à Niamey, à Goudel, dans le premier arrondissement communal de Niamey, d'une centaine de personnes des villages de la commune rurale de Ouredjaladjo, département de Saï, ces personnes ont fui les menaces des hommes armés. Enfin, la conférence des chefs d'État du gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africain UMOA a levé le samedi 8 juillet 2023 la décision de suspension du Mali des organes et institutions de l'UMOA prise le 9 janvier 2022 après le coup d'État militaire intervenu dans le pays. Pour discuter, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Memoune Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir. Bonsoir. Ousseini Issa, il est également journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir Nafisa. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du Forum de la presse tous les candidats de la série D du bac à 2023, admis comme refusés, sont autorisés à reprendre l'épreuve de mathématiques et la meilleure note sera retenue. Annonce faite ce week-end à Niamey par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La reprise de l'épreuve de mathématiques pour la série D a été prise lors du dernier Conseil des ministres du 6 juillet en raison de graves erreurs décelées dans la formulation du sujet. Je commence donc avec vous, mesdames, madame Maimouna Diado, vous êtes journaliste indépendante. Alors, comment vous appréciez cette décision finale du gouvernement, celle de faire reprendre cette épreuve à tous les candidats admis comme refusés au baccalauréat session 2023 Bon, d'abord j'étais indignée puisque je ne m'attendais pas à ça, qu'on puisse faire des examens et qu'on d'abord qu'on donne les résultats, mhm. après les résultats, qu'on revienne pour dire qu'il y a quand même des erreurs. des erreurs décelées dans un sujet comme la mathématique, série D. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que il faut, il faut voir revoir toute la chaîne. On doit s'interroger. Puisque ceux qui se sont occupés, en tout cas, à proposer le sujet et qui ont accepté le sujet, mhm. n'ont pas pu voir l'erreur Maintenant, ceux qui ont corrigé n'ont pas pu voir l'erreur mhm. et ils ont fait admettre des, des, jeunes mhm. des, à, l'écrit, euh, même si ce n'est pas à l'écrit, second groupe aussi, avec des notes. Puisque quand on va regarder, si on regarde, je suppose, je suis sûr que série D, il y a des, il y a en tout cas des candidats qui ont eu la moyenne. Bien sûr qu'il y a des, et admis avec, à l'écrit Et avec ces erreurs là, mhm. et qu'on revient pour dire que, <laughs> nonobstant les résultats que ces enfants ont, en tout cas été admis, mhm. maintenant il faut reprendre la mathématique pour la série D. Mhm. il, faut il faut s'interroger sur la crédibilité d'abord. Mhm. Où est-ce que nous allons avec ces histoires de baccalauréat où chaque année, il y a des petits problèmes autour donc, de ces mm-hmm. examens-là. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais pour cette année, c'est encore pire, parce que pour les autres années antérieures, on parle de fraude. Pourtant, tous les moyens sont mis vraiment dans l'organisation euh, du baccalauréat. Oui, Si tout est mis à leur disposition, comment se fait-il qu'ils n'ont pas pu déceler C'est-à-dire que ce ne sont pas peut-être les bonnes personnes qui devraient être, en tout cas, associées pour d'abord euh, euh, proposer, les sujets, voir le sujet qui a été retenu et également la correction, comment ça, ça s'est fait. C'est ça, parce que c'est sur la base d'une seule correction que les autres correcteurs, en tout cas, le résultat est déjà là. Moi, je me dis, euh, euh Nafisa, l'erreur, c'est vrai, on dit que l'erreur, elle, est, humaine. Mais venant peut-être euh, des gens qui réfléchissent, mhm. des gens, des, des, des professeurs aguerris, des enseignants-chercheurs aguerris, ceux qui passent leur temps peut-être à donner des cours, à dispenser les cours en mathématiques pour mhm. ceux qui la série D. Mhm. Mais comment se fait-il qu'on ne puisse pas déceler ça mhm. Normalement. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, si c'était un étudiant qui s'est levé ou bien un candidat qui s'est levé pour dire qu'il y a des erreurs dedans, ils vont tout de suite croire que c'est la fraude, que l'enfant a déjà vu le sujet quelque part. Donc voilà. Et maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, déjà, le ministre a expliqué comment ça va se passer la procédure mhm, mhm. pour que ceux qui euh, n'ont pas eu, peut-être qui sont tombés dans le second groupe, puissent avoir la mention bien. Et ceux qui ont, sont admis même Ceux qui euh, sont admis aussi, qui n'ont pas de mention comme ça se doit, mhm. peuvent reprendre la mathématique et espérer avoir la mention. Donc, maintenant, c'est à eux de voir. Et tout ce que nous voulons, c'est que qu'on cesse, en tout cas, qu'on cesse de, de, s'amuser avec la conscience des gens. Parce que là, la crédibilité du bac nigérien, c'est vraiment en danger. La crédibilité du baccalauréat est en danger ici au Niger selon Maimouna Ousseini Issa. Que doit-on vraiment comprendre à travers ces erreurs enregistrées dans cette matière qui est la mathématique au cours de cette session de baccalauréat 2023 il y a rien à comprendre dedans rien à comprendre dedans. On ne peut pas admettre. La mathématique, c'est une science exacte, mm-hmm. comme la physique, comme la chimie. On n'invente rien. On ne peut pas comprendre, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Maimouna, mm-hmm. on ne peut pas comprendre que de bout en bout, le début du processus jusqu'à la fin des examens, jusqu'à la proclamation des résultats, qu'on n'ait pas pu, euh, déceler, des, des enfants ont quand même traité les sujets, mm-hmm. n'est-ce pas, avec des erreurs, et il, semble que, que c'est pendant la correction que bon, les erreurs ont été progressivement décelées, mais on a laissé faire, n'est-ce pas On a corrigé, on a validé, on a proclamé les résultats. Alors, euh, il fallait faire, comment dire, le bilan présenté. C'est certainement quand on a posé le problème au président de la République qu'il a dit non. Il faut reprendre. Je ne peux pas admettre que on pénalise des enfants qui peuvent réussir. Mhm. Peut-être qu'il y a beaucoup ils ont été déroutés par les erreurs qui mhm. étaient dans le sujet. Mhm. Parce qu'ils sont nombreux il a décidé, voilà. cette... Euh, cause, mais c'est une matière fondamentale en série D, la mathématique, les mathématiques, mhm. les sciences physiques et les SVT. C'est les trois Beaucoup matières fondamentales. Alors, mais alors, quand au niveau de cette matière, et qu'on vienne comme ça, ça veut dire qu'il y a même une fuite de responsabilité par rapport à ceux-là qui sont là censés de gérer comme avait dit l'organisation du bac. Je veux <laughs> parler non seulement du ministère, mais également de l'OBEX, ou e comment on l'appelle. Mhm. N'est-ce pas Il y a une fuite de responsabilité à leur niveau. Parce que dès lors qu'on a eu à constater, n'est-ce pas, qu'il y avait des erreurs, les erreurs ont été décelées pendant, n'est-ce pas mhm. On aurait pu dire, bon. Arrêtez carrément, oui. Ce qui a été traité, on met ça de côté, même si c'est à la fin de toutes les épreuves, on va directement enchaîner avec la reprise des mathématiques. Effectivement, ça aurait, pu permettre mm, mm, mm. non seulement aux candidats, n'est-ce pas, de ne pas être sous pression parce qu'ils sont déjà dans l'épreuve, n'est-ce pas Ils sont déjà dans l'épreuve, ils ont fini, on leur a dit, il y a l'erreur, il y, y, en a qui vont revenir avec beaucoup plus de vigueur, beaucoup de vitalité pour affronter la matière parce que c'était les erreurs là qui les avaient permis on les en proclame et puis on va aller s'asseoir pour que le président de la République décide qu'il faut répandre. Et malheureusement, maintenant, avec cette reprise, même certains, la plupart des candidats ne vont pas revenir avec euh, force. Le problème qui va se poser, ça va se poser en termes de mobilisation de ressources pour pouvoir organiser au niveau de toutes les, comment dirais-je, les, comment on appelle ça, les, les régions, régions au niveau, il y en a qui sont partis en, en vacances, il y en a des enseignants qu'il faut mobiliser et tout. C'est des coûts supplémentaires qu'on aurait pu éviter. Mhm. Juste au moment, à partir du moment où ça a été décelé, je me pose bien des questions. Comment les gens perçoivent le sens de la responsabilité mhm, mhm. à partir de cette situation-là Parce que des responsables, vous devez vous dire non, voilà, à partir du moment où il y a des erreurs de, dans tout, très grave à compromettre l'avenir de beaucoup d'enfants, on va reprendre systématiquement. Les enfants sont sur place parce qu'il n'y a même pas eu la proclamation à ce moment. Mais on laisse jusqu'à ce qu'on proclame, jusqu'à ce qu'il y ait conseil de ministre. Jusqu'à ce que même les résultats globaux sortent voilà. officiellement. Mhm. Voilà, alors là, moi je me dis quelque part, ça, quand des gens disent non, l'erreur humaine, non, non, non, non, il faut sanctionner. Mhm. Tant qu'on ne va pas se mettre à sanctionner, moi, je dis, des choses comme ça ne vont jamais finir. Parce qu'il semble qu'il n'y a pas seulement au niveau des mathématiques qu'il y a eu des erreurs. Même dans d'autres disciplines, il y a eu quelques petites erreurs. au niveau de la Alors, série D qui a ça été tellement Ça implique quoi Ça implique que, à force de vouloir mettre la rigueur, on confie les choses à des gens qui, peut-être, ont un niveau plus supérieur. Parce que moi, je dis quelque part, ce que les enseignants du collège, des lycées ont toujours déploré, c'est qu'ils ne sont, pas... Ils sont pas... les épreuves ou du baccalauréat. quand même quand même, c'est les lycées qu'ils font. C'est des enseignants du secondaire qui enseignent. On doit attribuer, on doit leur confier. Parce que c'est eux qui savent ce qu'ils ont enseigné. c'est à eux prioritairement de faire les choix des Mais pas quelqu'un qui enseigne à l'université ou quelqu'un qui est à la retraite. Mhm, mhm. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment pénalisé ces, élèves. si on doit continuer comme ça, parce qu'on veut mettre la rigueur, on veut... Non, non, non. Il faut ramener les choses à l'heure. D'accord, il faut éviter les fraudes, mais il faut aussi créer les conditions pour que l'enfant, ils savent, les enseignants connaissent un peu à peu près au niveau de tous les lycées qu'est-ce qui a été enseigné aux enfants, qu'est-ce qu'on peut leur proposer où ils peuvent s'en sortir. Mais on ne peut pas aller prendre quelqu'un qui n'a pas enseigné peut-être pendant 10 ans, on lui dit propose un sujet de mathématiques, ou, parce que tout simplement il y a de l'argent dedans. Il faut mettre fin à des choses comme ça. Moi je dis c'est, c'est, le sens de responsabilité qui le commande. Et le sens de responsabilité commande aussi. Le sens de responsabilité commande aussi qu'il y ait des sanctions pour qu'il y ait des choses comme ça. Il faut qu'on, crée les conditions pour qu'on ne soit pas dans des situations parce que tant qu'il n'y a pas de sanctions, demain encore d'autres personnes vont poser les mêmes types de problèmes mhm. et on va se retrouver en train de polémiquer autour de quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Oui, mais on a, voulu vous euh, en 2015, le mhm. bac de 2015, mhm. où la série A4 était systématiquement avait repris l'histoire euh, géo. Parce que tout simplement, il y avait euh, un cas de fraude qui a été décelé où on supposait que les enfants, les candidats, ont eu en fait la fraude, les, les sujets bien avant de les composé. Donc, systématiquement, ils ont remplacé par un autre sujet. Voilà, c'était la ah, solution. En 2015. Mhm, eh ben, Mais personne, personne. ça, n'avait pas de coût. oui, ça, n'avait pas de coût. Et les résultats n'étaient pas encore sortis, mhm. puisqu'ils étaient en train de concourir quand même. Mhm, Donc voilà, sinon on n'allait même pas parler de ça. Mais qu'est-ce quelles sont vos recommandations pour que vraiment cette épreuve soit reprise euh, avec la bonne reformulation nos recommandations, c'est, Nefis, ça ne cessera de le dire, c'est que aujourd'hui, euh, euh, moi, j'aurais bien voulu que, aussitôt cette décision sortie par le président de la République, de reprendre cette, euh, cette matière, c'est de s'engager rapidement. On n'a pas à attendre. Il suffit tout simplement de mobiliser les quelques fonds et mobiliser, faire appel aux, correcteurs faire appel à ceux qui vont peut-être euh, qui vont s'en occuper pour pouvoir aller vite. ça aussi, c'est des problèmes. Retenons aussi que le taux euh, de réussite au baccalauréat de cette année est de 25,23%, toutes séries et spécialités confondues, selon les résultats euh, proclamés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et ces résultats euh, sont en baisse de 3,12 points par rapport à la session de 2022. Rapidement, Ousseini, quels sont, comment vous appréciez ces chiffres si on sait que <laughs> Qu'est-ce qui explique vraiment Qu'est-ce C'est un peu lié au niveau, n'est-ce pas D'année en année, il y a une régression. Mm-hmm. Malgré toutes les mesures qu'on annonce, les réformes qu'on annonce, d'année en année, l'école, là, c'est un tout. C'est l'éducation même qui est... C'est un tout, c'est un tout global. On ne peut pas dissocier un aspect d'un autre. De l'école primaire jusqu'en terminale, jusqu'à l'université, c'est des acquis complémentaires. Mm-hmm. Et au fur et à mesure qu'on avance, quand on sait comment l'école s'est détériorée d'année en année, il ne faut pas être surpris qu'on soit dans une situation et dans la même période, on dit non, pour éviter les histoires de fraude, on va serrer, on va faire, on va exclure, on va, on va. Euh. Non, alors ça pose un problème. Mhm. Moi, je dis, il faut qu'on pose les débats de manière globale mhm. par rapport non seulement à la qualité de l'enseignement, mhm. qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus de qualité aujourd'hui Les gens savent pourquoi il n'y a plus de qualité. Beaucoup donc reste à faire vraiment pour assurer une meilleure qualité. Oui, mais... même rapidement pour qu'on clôture il ce sujet. Je également souligner hmm. qu'il y a, il ne faut pas euh, mettre de côté cette situation d'insécurité. Ça impacte. ça impacte sur l'éducation de ces enfants. En quoi, Parce que quand je dis que ça impacte, regarde, tu te trouves dans une zone d'insécurité. C'est hmm. vrai, tu es en classe de terminale. Hmm. Tu dois composer. On te prend dans dans ta, oui, oui, dans là où tu te trouves, ta mm-hmm. localité. Mm-hmm. On t'amène de l'autre côté. Et pour, pour, en tout cas, ça impacte. Mm-hmm. Parce que pour avoir le pôle, pour avoir euh, en tout cas l'intégration, pour pouvoir intégrer même, c'est un autre problème. Donc ça fait aussi impacter sur le niveau de ces élèves-là. Il faut le rappeler, il faut le souligner. Mais ça, me dit qu'il y a beaucoup qui n'ont même pas pu, qui oh, pas, pu composer, malheureusement. qui n'ont pas pu composer. Donc il n'y, avait même pas le, faire, taux, le taux, voulu. Voilà, beaucoup donc reste à faire euh, vraiment pour euh, assurer euh, une meilleure qualité de l'enseignement ici au Niger. Nous allons donc passer au deuxième sujet du forum de la presse de ce vendredi 14 juillet 2023. Ils sont des dizaines de personnes euh, qui ont fui, une centaine de personnes autant pour moi, qui ont fui euh, leur village situé dans la commune rurale de Ouredjaladjo, département de Saïa, depuis deux semaines. Ces personnes ont été menacées par des hommes armés. Il y a une semaine, environ 200 de ces personnes sont actuellement à Goudel dans le premier arrondissement communal de Niamey. Le reporter Tarnan Foudey Ahmed et Soumana Amadou se sont rendus sur les lieux d'hébergement. On écoute leurs témoignages. Mon fils Harun a été poignardé par ses hommes armés. C'est son grand frère qui est venu m'informer et le matin on a retrouvé son cadavre avec trois blessures. Les assaillants nous ont donné un ultimatum de trois jours pour quitter. Sinon ce sera pire. C'est pourquoi nous avons quitté nos villages. Ils sont venus la nuit et ils ont rassemblé tous les hommes à la mosquée. Ensuite, ils les ont tabassés et tués l'un d'entre eux. Le retour au village n'est pas facile parce qu'ils ont tué un parent et tabassé nos maris. Les mêmes personnes menacent de revenir pour massacrer tout celui qui restera dans le village. Le retour n'est plus possible. Nous sommes venus à pied avec des femmes, des enfants, des personnes âgées. Nous avons beaucoup souffert. Une femme a accouché en cours de route sans assistance médicale. Nous avons tout laissé derrière nous. Nos greniers avec du mil, des sacs de céréales, des volailles, des animaux. Les hommes armés nous ont menacés et volé plusieurs de nos bêtes. Nous sommes 187 personnes ici. Il y a cinq jours que nous sommes à Godel. Nous voulons la paix et que l'État trouve une solution. Vous venez là donc d'entendre des témoignages de quelques personnes déplacées de Ouredjaladjo euh, dans, le, de département de Saï. Alors Memouna, euh, quelle réaction après écoute et avez-vous d'autres informations par rapport à cette situation qui prévaut euh, dans ces villages de la commune de Ouredjaladjo euh, la situation de Ouredjaladjo, ça doit interpeller tout le monde. Ça doit nous interpeller pourquoi D'abord parce que tout simplement, on avait entendu depuis qu'il y ait des menaces euh, de ces djihadistes. Il y a des semaines, oui. Des semaines, mm-hmm, mm-hmm. sur les réseaux sociaux, l'alerte a été donnée. Que ils étaient au, euh, on leur a donné un ultimatum de trois jours pour que pour qu'ils puissent quitter. Donc, ça veut dire que les autorités sont au courant. Puisque moi, je me dis que quelque chose qui circule sur les réseaux sociaux, et surtout, que euh, la commune de Oureguelayo a quand même un maire, mhm. un représentant mhm. élu, mhm. et qu'on peut approcher et qui peut également savoir ce qui se passe au niveau de sa commune. Donc, c'est vrai, j'en ai discuté avec lui et il avait en tout cas rappelé qu'ils sont nombreux qui ont fui. Et c'était 17 villages concernés, des, des, hameaux, mais qui se retrouvaient dans quatre villages. Et aujourd'hui, rien que Niamey, ça totalise 771 déplacés. En tout cas, selon les statistiques qu'il a données. Et il continue d'arriver. Et il continue d'arriver. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va nous faire sortir la même chanson. Nous allons nous occuper d'eux. Nous allons les ramener chez eux nous allons leur donner la sécurité. Mais si on continue de rappeler, de dire que nous allons donner la sécurité, alors que vous pouvez sécuriser ces populations bien mm. avant que ces populations ne quittent leur tiroir. La plupart sont ici à Goudel, d'autres à, à, Il y a d'autres qui ont des familles, qui, ce sont ces familles-là qui ont décidé de les accueillir. Ceux mm. qui n'ont pas de famille ici à Niamey mm. sont obligés de dormir à la belle étoile, comme on le dit. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est que nous sommes dans la période de l'hivernage. Justement, c'est une période de campagne agricole. C'est une période de campagne agricole. Ces, populations-là ont quitté. Comment est-ce que ces populations-là, aujourd'hui, il faut les maintenir, il faut les nourrir, il faut leur donner le minimum de mhm. vie mhm. vitale. Mais est-ce que aujourd'hui les autorités, rien qu'à Niamey, peuvent en tout cas s'en occuper de ces populations. Mm-hmm. C'est un peu compliqué. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne, veut pas révéler. Mm-hmm. Il y a des choses, mais il y a des choses, il y a des anguilles sous roche. On ne peut pas comprendre qu'à 45 km de la préfecture, en tout cas de, Saï, qu'on dise que ces populations doivent quitter. À 45 km. Mais Une dizaine de villages. Quelque chose qui arrive, 17 villages, qui arrivent à 45 km de Saï. Donc ça veut dire que même Saï est menacé. Voilà. Même Saï est menacé. Et les villages environnants de Saï aussi seront menacés de la même manière. Et là, on nous dit que l'État est en train de mettre les moyens pour pouvoir les sécuriser. Mais les mm. sécuriser comment, C'est ça, il faut se poser la mm-hmm, question. Mm-hmm, mm-hmm. Est-ce qu'il s'agit de prendre des militaires pour les dire, les donner les dispositifs pour dire restez ici et sécuriser Ou, ramener ceux qui, sont, qui, se sont déjà déplacés, qui ont quitté. Mais ceux qui ont déjà quitté, ne ça. est-ce que ces populations-là, qu'on trouve un maire ou un préfet ou même le gouverneur ou même le ministre de l'Intérieur viennent vers ces populations pour leur dire retournez on va vous sécuriser. Il faut Mais que toutes les conditions soient réunies. Toi, tu penses que les populations vont de retourner Puisqu'ils ont vu les djihadistes de leurs propres yeux, qui les, ont menacés mhm, mhm, mhm. et de quitter, et que s'ils reviennent, voilà ce qui va vous arriver. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'État qui dit qu'il va les sécuriser va pouvoir sécuriser les 17 villages-là qui ont été sommés de, quitter. C'est ça l'inquiétude. Aujourd'hui, il faut que tout le monde s'inquiète. Parce que ce qui est arrivé à 45 km de Saï peut bel et bien être ici à Niami. C'est inquiétant. Les défis sont énormes. Que dire sur cette situation de Oure de Hussein Mais n'est qu'une suite de ce que d'autres localités ont déjà connu. de la région de Tilaberi. De la région de Tilaberi. On mm-hmm. avait un temps, c'était l'Anzourou, où les mm-hmm. gens ont dû fuir mm-hmm. pour venir s'installer à Tilaberi, n'est-ce pas euh, dans la commune urbaine de Tilaberi, un peu partout, on a vu des déplacés internes, y compris dans la région de Walam. On a vu des gens pleins, tous ces gens-là qui quittent pour venir s'implanter. Ce n'est qu'une suite, donc. Ce n'est qu'une suite <laughs> logique d'un processus qui est là contre lesquels on peut lutter, mais on ne veut pas lutter. pourquoi, selon vous Mais non, moi, je ne peux pas comprendre. Justement, je ne sais pas pourquoi on ne veut pas lutter. Parce que cette histoire de Ouro mm. moi, c'est quelque chose que j'ai traité pendant des semaines, mm. avant que les populations ne se, déplacent, parce que j'avais des informations selon lesquelles l'acte final, c'était dans la nuit du 3 au 4 où ils sont arrivés dans le village, deux villages Ourogo et puis l'autre village, je ne sais plus. Mm. Ils ont tué deux personnes, ils ont tenté d'assassiner deux autres personnes qui ont pu prendre la fuite dans la nuit. Mm-hmm. Après, à Sanala, ils ont demandé aux populations de quitter 48 dans les 48 heures, 72, 72 heures mm-hmm. Alors, on ne peut pas me dire que les autorités ne sont pas au courant de toutes ces menaces-là. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça a coûté Qu'est-ce que ça a coûté Bien avant, à partir du moment où vous avez l'information, d'aller trouver ces voyous. Mettre un, dispositif de ratissage. Non, mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer mhm. Le problème qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont acculés vers le Burkina Faso. Mhm. Ils cherchent des positions de répliement, des points de répliement sur, le territoire nigérien. Mhm. La difficulté au niveau de Ouro c'est qu'on ne dit pas. C'est qu'il y a une rivière, la rivière Gouroubi, qui a commencé à se remplir. Ça coupe le village en deux, la, localité en deux. Mhm. Ceux qui sont de la rive droite là, ça devient difficile pour accéder à la rive gauche, où se trouve le chef-lieu de commune. Mais alors, on ne peut pas se donner les moyens bien avant, parce que ça fait des semaines, peut-être voire des mois, mhm. où les menaces ont commencé, parce que les gens, c'est pas d'un coup, ils sont venus dire aux populations, on vous donne 72 heures pour quitter. Alors, mhm. à partir de cet instant, moi, j'ai dit, on devait se donner les moyens pour aller les bouter et empêcher à ce que ça arrive à ce stade-là, mhm. où des gens ont semé leur champ. Mhm. Ils ont labouré. Vraiment. Ils sont en train d'espérer que la saison va être bonne. Et un beau jour, et un matin, on, vous dit, tout ce temps que vous êtes, vous devez quitter, sinon on va vous tuer. <laughs> Alors, ils se déplacent, ils viennent <laughs> dans le chef-lieu de commune, et à la commune, ville commune, mhm. et certains vont à Torodi, d'autres qui ont des ressources, de l'énergie, ils ont convergé vers Niamey. Alors, maintenant, le, dispositif humanitaire s'organise avec les humains, la réponse humanitaire. Mhm. Alors, pour aller assister ces gens-là, mhm. ils n'ont jamais compté sur qui que ce soit. Ils mhm. ont compté sur Dieu et leur terre. Aujourd'hui, ils se trouvent dans une situation où ils ne peuvent pas cultiver. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus dramatique que, pour un paysan que de ne pas pouvoir exploiter pendant cette période-là. Même ceux qui sont à l'extérieur du pays en exode, quand ils commencent à pleuvoir, ils viennent exploiter leur champ. Alors on se met dans une situation. C'est comme vous l'avez dit, donc cette situation de Ouredjela du n'est qu'une suite euh, de la situation qui prévaut de la région. Et justement, justement. Je considère pas seulement, même à, Difa, c'était ce qui s'était observé pendant ça. Ça veut dire que l'attentisme, non, il n'y a pas à il n'y a pas de temps à attendre. Quand il y a une situation difficile où les populations, vous avez l'information, allez créer les conditions pour que ces gens-là qui les menacent mhm. puissent être bouclés. Mais, avant, avant, le 4 et le 5, là, la commune a été euh, combien de fois attaquée bah, ah. par les, djihadistes avant, avant le drame du 4 et du 5 là, mhm. où ils ont demandé à cette population de quitter. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce mhm. que on a, quand même les informations qui nous viennent, où on, parle d'attaque au niveau de la commune de Urgilayo. On parle. mais c'est impensable. On ne peut pas comprendre pourquoi mhm. il y a cette lenteur au niveau. Donc, euh, c'est une lenteur, on peut le dire, ou bien c'est juste seulement que malheureusement on ne sait pas comment la qualifier la, situation, sécuritaire ne fait que parce que c'est une commune qui est à la frontière mhm. cheval avec le Burkina Faso. Aujourd'hui, ça va coûter beaucoup plus cher la gestion mhm. parce que ces populations qui ont quitté là, mhm ils ont quitté pour une période indéterminée. Voilà. Dieu seul sait, Dieu, seul sait combien de temps ça va prendre avant qu'on puisse stabiliser la zone pour qu'ils puissent retourner chez eux. Parce que partout où les populations sont venues s'installer, il y en a qui ont perdu 4 saisons, 5 saisons mm. aujourd'hui. Mais, mais Mouna, face à cette situation, comment les autorités doivent s'y prendre actuellement vraiment pour faire face à cette euh, situation C'est question que tu me poses où je n'ai pas vraiment la réponse à ça. Parce que <laughs> parce que c'est la même chose que nous sommes en train de dire depuis Dans que toute la région de depuis, depuis que cette insécurité s'est installée là, euh, au niveau de, la région de Tilabiri, mhm. nous avons alerté combien de fois l'État par rapport à ça mhm. Parce que aujourd'hui, c'est une bande. C'est la bande là en fait qu'il faut faire dégager tous ceux qui se trouvent, ces populations qui se trouvent au niveau de cette bande là. Mhm. Il faut les faire dégager pour laisser libre champ à ces djihadistes là pour pouvoir exploiter le sous-sol, les richesses de ces sous-sols là. Donc nous avons alerté combien de fois de la frontière vers le Mali nord qui vient vers le Niger et qui va jusqu'aux trois frontières, mhm. C'est Mais... le Liptako, c'est pas zone de trois frontières, c'est les blancs qui ont donné le nom zone de trois. C'est le Liptako gourmand. ça s'appelle. Et nous avons toujours dit que l'État, c'est un droit pour ces populations que l'État les mhm. sécurise. Mhm, Il n'y a pas question que l'État les abandonne dans cette situation-là. Mm, mm. Parce que quand je dis sécuriser même, c'est pas d'amener des militaires deux jours, trois jours, les militaires sont visibles, ils font le ratissage, ils, quittent. Mais ceux-là, ils sont informés. Ils sont informés de tout ce qui se passe. Ils de stratégie alors. oui, ils sont <laughs> informés. Ils ont plus de stratégie, je pensais. Mm, Parce que, regarde, quand les militaires sont là, ils ne font pas, ils ne font pas de, de mouvement. Mais une fois que ces militaires la quittent, ne serait-ce que ceux qui connaissent la zone quittent pour que les autres militaires puissent venir mhm, mhm, mhm. remplacer ceux-là. C'est en ce moment que on profite pour attaquer. Ça veut dire qu'ils sont au courant. Les défis donc euh, sont énormes Maintenant, pour le, sécuriser, oui. Sécuriser ou et sécuriser également les autres villages et les autres communes qui sont tout autour de Ourgalage. Effectivement. Les défis donc sont énormes pour nos autorités euh, face à cette situation sécuritaire qui continue de se dégrader euh, dans la région de Tilaberi. Vivement donc le retour de la paix dans cette zone de Ourgadjalajo et nous allons marquer une petite pause euh, avant de poursuivre. Dernier sujet de ce rendez-vous, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a annoncé la levée de la suspension du Mali des organes et institutions de l'UEMOA, une décision prise au terme de la session de la conférence qui s'est tenue à Guinée-Bissau le samedi 8 juillet. Après des mois donc à Ousseini Issa, selon vous, qu'est-ce qui a motivé le MOA à lever cette sanction contre le Mali, selon vous Ce qui a pu motiver, c'est le constat d'échec. C'est-à-dire Ils ont mis au banc le Mali en pensant qu'en y hein, mhm. que le Mali allait s'effondrer. L'économie malienne allait s'effondrer. À travers les, mesures, mesures drastiques et tout, et tout, machin, tout ça. Ça n'a rien donné. Les Maliens ont été résilients. Donc, selon vous, ça n'a même pas impacté le pays Quel impact quel impact C'est une question de résilience. Vous, vous avez décidé, parce que tout simplement, on n'est pas d'accord avec certaines politiques. Parce que tout simplement, vous voulez nous imposer des choses qui ne concordent pas avec nous avons besoin de paix au Mali. N'est-ce pas C'est ça la vision des Maliens. On ne peut pas faire des élections tant qu'il n'y a pas la paix. Ça sert à quoi Faire des élections dans une zone, d'autres zones ne sont pas concernées pendant qu'il y a l'insécurité. Il faut d'abord créer les conditions de sécurité, de paix des populations pour pouvoir faire des élections. Ils ont pensé qu'il allait mettre la pression. Mais les Maliens ont été résilients. Alors, tout tout but, ils ont considéré que ça là, ça ne va pas nous amener loin. Il faut faire une machine arrière pour dire au Mali, revenez, il faut, on vous accepte, on lève les, sanctions contre vous. Mhm. Mais alors, qu'il les lèvent ou qu'ils ne les lèvent pas, est-ce que le Mali ne va pas continuer à vivre mhm. Moi, j'ai dit, il faut que les Africains comprennent une chose. Mhm. Il faut qu'on comprenne une chose. En tout cas, dans nos pays, nos pays de l'Afrique de l'Ouest, là, il faut qu'on comprenne une chose. La chose la plus fondamentale, c'est le développement. Le développement peut ne pas passer quand il y a une crise de sécurité dans un pays. Aujourd'hui, les gens sont en train de mettre la pression sur le Mali pour qu'on organise des élections au Mali. Mhm. Mais alors, quand il y a une question d'insécurité, où on tue les populations tous les jours Il faudrait beaucoup plus mettre l'accent sur... Il faut mettre la, sécurité d'abord. Mhm. Quand la sécurité va s'installer de manière durable, mhm. quand le pays va être uni à ce moment. Mais cette situation-là d'insécurité, qu'on fasse des élections, c'est des gens qui vont venir s'installer, qui vont s'en foutre de ce qui se passe dans pratiquement le nord Mali. Mhm. Moi, je connais cette zone-là jusqu'à Gao, Meneka, tout ça. C'est parce que le Mali est installé dans cette situation, parce que tout simplement, les politiciens démocrates et autres, ou pseudo-démocrates, ils ont abandonné ces zones-là pendant des années et des années, mhm. où c'était des zones où il n'y avait pas d'investissement, il n'y avait rien. Mhm. Alors, ça a créé une situation, et aujourd'hui, les mêmes gens sont là où les Occidentaux, ils sont là pour dire il faut aller à des élections. Mais les élections ne sont pas une fin en soi. Le développement est plus important que de venir organiser. Des gens vont venir, ils vont aller voler, et braquer des urnes pour, pour arriver, pour juste gérer leur bien-être. Moi, j'ai dit c'est la honte. Ils ont compris que ça n'allait pas les amener quelque part et que le Mali allait prendre d'autres mesures parce que les Maliens étaient déterminés, soudés d'ailleurs leur junte là, qu'on passe le temps à insulter. parmi euh, les mesures à Memouna, euh, il y avait la fermeture des frontières euh, entre le Mali et certains pays, le gel des avoirs maliens au sein de la Banque centrale, selon Ousseini. Ça n'a vraiment pas eu d'impact négatif sur le terrain. Êtes-vous même d'avis, vous aussi je suis d'accord avec Hussein, ce Hussein Si d'autres ferment les frontières pour que les Maliens, les peuples, le peuple malien puisse euh, asphyxier donc le peuple malien mm. <laughs> en ravitaillement, <laughs> en nourriture alimentaire et tout. Mais de l'autre côté, il y a des frontières qui s'ouvrent. Il y a des frontières qui ont mm. accepté, il y a des pays qui mm. ont accepté d'accompagner le Mali parce qu'ils pensent qu'ils ont raison et je vois qu'ils ont tout à fait totalement raison. Mm. On ne peut pas asphyxier un, tout un peuple parce que tout simplement, ils ont décidé, ce peuple a décidé de s'affranchir. Mm. Mais comment est-ce qu'on peut venir mettre des sanctions mm. Lieu moi, là, appartient à qui Ça appartient aux Africains. Ça appartient aux Africains. Donc, pourquoi venir quelque chose qui appartient aux Africains et qu'on on décide, des chefs d'État décident de s'organiser pour asphyxier un peuple. Mais c'est grave. Moi, je n'ai vu aucun, en tout cas, <laughs> le Mali a continué à fonctionner. <laughs> on a vu les fonctionnaires payés, on a vu les populations en train de vaquer à leurs occupations. Mhm. des, populations, en tout cas, même s'ils ont des problèmes, ils n'ont jamais montré qu'ils ont eu des problèmes avec la fermeture de ces frontières-là. je vais, te, je vais te compléter. Dans la même période, on a fait des augmentations de salaire au Mali. Ah, alors, pendant qu'il y avait cette, euh, ces sanctions-là, alors ça montre que ça n'a pas eu d'impact sur l'économie. Parce que tout simplement, ils ont décidé de diversifier avec d'autres mm, mm, partenaires. Mm, Les partenaires traditionnels qui pensaient qu'on que allait mettre le goulot empêcher à ce qu'il y ait des. Et puis il y a même deux points, deux mesures dans leur euh, décision. il y a deux points, deux mesures. Bien que selon vous, il n'y ait pas eu d'impact euh, assez d'impact négatif de cette décision sur le Mali, mais c'est peut-être des avantages maintenant pour le Mali avec cette décision de l'UMOA au sein Bon, avantages par rapport à quoi <laughs> Non, mais on, revient à l'ordre normal des choses, c'est mhm. tout. Mhm. C'est pas autre Officiellement. chose. Officiellement. Officiellement, on revient à l'ordre normal. On a parlé, euh, gel des avoirs. Avoir de qui ah, à voir où à quoi euh, au, niveau de la Banque centrale, on a gelé. Ok, d'accord. Les commerçants locaux, plus les partenaires qui sont là, des nouveaux partenaires qui se sont tissés, des nouveaux partenaires qui se sont tissés, ils sont venus en renfort à ce pays-là. Mmh, mmh, mmh. Maintenant qu'on dise qu'on va geler les, les comptes des machins, ils n'ont Ils n'ont pas d'argent volé, déposé dans des comptes pour que quelqu'un puisse penser qu'il peut mettre, faire, même basse là-dessus. Voilà un peu. Ça a montré que ces institutions-là, ils doivent d'abord réfléchir par deux fois, au lieu de se laisser manipuler mhm. par des Occidentaux qui ont des intérêts, qui veulent coûte que coûte protéger, mhm. en fragilisant nos États, en créant une espèce de désunion au sein de nos États. Mhm. On doit pouvoir d'abord se dire, mais c'est dans quel intérêt qu'on va exclure un pays, quand même voisin, qui est là, avec nous pendant parce que tout simplement, il y a une situation d'insécurité, il y a une situation où il faut stabiliser. Mhm. On va décider de, voilà, ça doit servir de leçon. Ça à dire ils ont dû tirer la leçon. Mhm. Demain, ils ne vont pas se mettre à, vouloir faire du mal à quelqu'un comme ça gratuitement. Mhm. Gratuitement. On sait que euh, l'UMOA, autant pour moi, c'était vraiment pour sanctionner la junte euh, au Mali qui voulait vraiment se maintenir au pouvoir pendant cinq ans. Mais maintenant, quelle sera, quelle sera la suite euh? C'est pas possible. Mais la junte voulait se maintenir au pouvoir. C'est avec la bénédiction du peuple malien. le peuple malien a dit non, nous sommes fatigués avec ces militaires-là. Mhm. Ils ont dit non, restez jusqu'à ce que la situation soit stabilisée. Mm. Souvent, j'entends des gens dire, non, ils sont là, ils n'ont pas pu finir, ils n'ont pas pu mettre fin à, l'insécurité. Mm. Mais bon diable, qui a amené l'insécurité Ce n'est pas les civils, mm. ce n'est pas les, régimes civils qui ont créé cette... cette situation-là, ils, ils ont laissé faire jusqu'à ce que la situation pourrisse, mais ils ont trouvé une situation totalement pourrie. Alors, c'est pas par un coup de baguette magique qu'ils vont pouvoir régler ces problèmes-là. Maintenant, quand je que euh, la jeune, Mais, quand le peuple est derrière une jeune, pourquoi quelqu'un va s'en offusquer Ils sont d'accord avec leurs soldats. Mais alors, en quoi ça dérange Ça doit déranger quelqu'un. Ils disent on ne va pas faire des élections. Le peuple même dit on n'est pas d'accord, on n'est pas pressé pour les élections. On veut d'abord la paix. Mais alors, qu'est-ce qu'il y, a de plus important que la paix Notons que toujours euh, au, cours de, cette, de ces rencontres de, Guinée-Bissau, la CDAO, le, président nigérien a pris les commandes à la tête de la CDAO. Alors, quels sont un mot vraiment pour euh, un souhait pour ce nouveau président qui a pris les commandes à la CDAO, Memouna? Espérons tout simplement qu'il va mettre les moyens euh, pour aider les, pays qui font face à l'insécurité. Moi, c'est ma première préoccupation. Mm-hmm, mm-hmm. S'il peut, en tout cas, s'en charger pour qu'il y ait plus de financement au niveau, donc, euh, euh, pour accompagner nos forces de défense et de sécurité, mm-hmm. pour que la zone des trois frontières, où nous sommes en train de, parler tout à l'heure de ça, puisse en tout cas mettre fin à cette insécurité dans la région de, de Tilabiri et dans les autres régions et le Mali, le Niger et le Burkina Faso seront débarrassés de ces djihadistes, mm-hmm. <laughs> je ne peux que lui souhaiter donc bon vent. Mm-hmm. Mais moi, ce sont mes attentes comme ça. Et vous, ça Moi, je veux dire une chose. J'ai vu euh. sa tendance. Mm-hmm. Laquelle J'ai vu sa tendance dans son discours là. <laughs> il, vient, il veut s'ériger en gendarme. Aujourd'hui, s'il y a une désaffection des peuples vis-à-vis de la CEDAO, mhm, mhm. parce que les gens ont l'impression que la CEDAO, c'est une espèce de syndicat des chefs d'État, n'est-ce pas mhm. Qui pensent être démocratiquement élus, n'est-ce pas Et alors que, dans l'esprit et dans l'entendement, des citoyens de l'espace communautaire. Mhm. La CEDAO, c'est un espace d'intégration économique et sociale. Effectivement, qui doit mm. Et on abandonne ces aspects-là. Où chacun, il n'a pas. On a fermé la frontière du Niger pendant combien de machins pour faire du protectionnisme mm, mm. Et en 2000, euh, je ne sais plus, c'était 2021 ou machin. 2020 n'est-ce pas alors, quand on fait des mesures comme ça, on vient, chaque fois qu'on se réunit, ah non, non, non, il faut empêcher à ce que il y a des, militaires au pouvoir. Mais il faut créer les conditions pour que les militaires s'entendent même pas les militaires de venir au pouvoir. Et créer les conditions, c'est créer les conditions de la bonne gouvernance démocratique dans les pays. Il faut insister là-dessus. Parce que j'ai comme l'impression, et j'ai l'habitude de le dire, j'ai comme l'impression que quand ils se réunissent, ils ne voient que l'aspect élection dans le protocole de la CEDAO, alors qu'il y a euh, l'aspect bonne gouvernance. La bonne gouvernance peut être piétinée par les chefs d'État. Pour peu que vous soyez élu, vous pouvez gérer comme vous l'entendez votre pays, avec une main de fer les présidents sont d'accord avec avec vous. Parce que simplement, vous avez l'onction, c'est des urnes. Souvent, on a voler pour vous mettre à machin. Mhm. Alors, si je veux que la CEDAO regagne la confiance des citoyens, mhm. moi je dis, c'est d'abord de travailler sur ces questions-là. Mhm. Les élections, mais surtout la bonne gouvernance. Parce que quand il y a la bonne gouvernance, je ne vois pas quel est le militaire qui va s'élever pour vouloir faire un coup d'État. C'est les populations même qui vont descendre dans la rue pour le chasser. Mais tant qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, un individu peut penser que, parce que j'ai été élu, mal élu d'ailleurs, je peux m'imposer quand je vais finir mes mandats, mes mandats légaux, je peux modifier vers la fin de. Pour modifier la constitution, mm-hmm. les chefs d'État sont là de la CEDAO, le syndicat, les, militants du syndicat sont là mm-hmm. pour regarder. Tu modifies, tu t'installes. Alors à partir de ce moment, moi j'ai dit, il doit rectifier le tir. Parce que je l'ai entendu, mm-hmm. je l'ai entendu dire, je l'ai entendu dire quand vous gouvernez, quand vous gérez, quand vous gérez bien, quand vous, gouvernez bien, mhm. moi je ne vois pas quel est le citoyen qui va s'élever contre votre gestion. Mais quand vous gérez mal, quand vous gérez dans l'injustice, mhm. mais bien évidemment, mais bien évidemment, l'être humain, mhm. à partir d'un certain instant, il ne peut plus. Vous venez, vous prenez les choses en main. Et vous, vous considérez que c'est fini, à partir de moi, il n'y aura plus personne. Tant que je suis encore en vie, alors qu'est-ce que vous voulez Bonne chance donc au nouveau président euh, nigérien. Et espérons vraiment que ces deux institutions, que ce soit l'UMOA, la CDAO, qu'ils misent, qu'ils mettent l'accent vraiment sur la bonne gouvernance. Et c'est ici donc que se referme le numéro de ce forum de la presse de ce vendredi 14 juillet 2023. Merci donc à nos invités, Memoune Diado et Ousseini Issa, tous des journalistes indépendants. Merci, chers auditeurs, auditrices et fidèles téléspectateurs et téléspectatrices des programmes de Studio Kalangou. Merci donc à vous. N'oubliez pas le programme Jeunes, c'est samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues, suivi de tous à la FADA et les samedi et dimanche à partir de 18h15 les forums en langue Hausa et Zarma. La technique est assurée par Amina Hassan, la régie vidéo Issa Lawali. Je suis Nofis Adam Sirfo à la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.